14 cas contacts suivis par nos services et un cas issu de la transmission communautaire. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. L'état de santé des patients hospitalisés est stable en dehors de deux cas graves actuellement pris en charge par nos structures. À ce jour, 162 cas ont été déclarés positifs, dont 28 guéris et 134 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Me lire communiqué numéro 29 bu ministère de la santé et de l'action sociale communiqué bi nga xamné ne bu ko docteur Bousso dina ñëw def ben mise au point ci bésu lundi bi fanweeri fan ci mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jotna résultat examen virologique yi may wajal lim ci juroom ñet fukk juróom ñaari test yi ñu def ñaar fukk ñoo ci positif maanaam juróomi cas importé mooy ñu jóge bitim réew fukk ak ñeenti cas contact yi jaxasoo woon ak ñu jóg yore doomu jàngoro bi benn cas communautaire benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër na ci bésu tey ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane waaye am na ñaari malade yu sonn yu nekk sawataas ci bésu tey daale cas bi ñu njëkk am Sénégal woññi na téeméer ak juróom benn fukk ak ñaari cas ñaar fukk wër nañ ci mu des téeméer ak fanweer ak ñeent ci hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu Dolidi di wo askan wi ñu sàmmanteeg ndigle yi nga xamné la docteur Abdoulaye Bousso. Merci beaucoup, M. Euh, monsieur le DC. Donc, à la suite du directeur de cabinet, je m'en vais un peu faire le, un détail sur la situation actuelle. Donc, il part des 162 cas donc euh, répertorié à ce jour au Sénégal, avec les 28 guéris et 134 patients qui sont actuellement en traitement dans nos centres de traitement. Comme il a souligné, nous venons d'avoir nos deux premiers cas graves. Donc ces deux premiers cas graves, dont un est sous assistance respiratoire. Donc nous avions dit dans nos précédentes communications que c'est des cas qui sont prévisibles. Et avec l'augmentation du nombre de cas, il faut s'attendre à avoir des cas graves. Et c'est essentiellement des personnes âgées qui ont d'autres maladies sous-jacentes. Donc actuellement, ces cas sont en train d'être pris en charge en milieu de réanimation et pour le moment, leur situation est stable, mais elle est préoccupante. Ce qu'on peut également dire sur les cas, c'est qu'aujourd'hui, nous avons sur la proportion des 134, 46% de cas importés. Donc, c'est les cas de personnes qui ont voyagé et qui sont rentrées dans le territoire national nous avons 42, 49% de cas secondaires, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont été contaminées par ces personnes positives, cas importés, et nous avons 5% de cas communautaires. Des questions ont été posées à savoir euh, pourquoi on a toujours des cas importés malgré la fermeture de l'aéroport euh, de Blaise C'est pour dire qu'il faut comprendre par rapport à l'épidémiologie de cette maladie. Donc la frontière, l'aéroport a été fermé le 20 mars et il faut qu'on puisse compter à partir du 20 mars, 14 jours, parce que des personnes sont rentrées dans le territoire sénégalais la veille de la fermeture et ces personnes sont susceptibles de développer la maladie. Donc aujourd'hui jusqu'au presque 4 avril, nous devons nous attendre à avoir des cas importés malades. Donc toutes ces personnes qui sont rentrées jusqu'à la veille de la fermeture des frontières peuvent développer la maladie. Donc l'attente pour nous, c'est d'avoir encore des cas, euh, des cas importés positifs. Et ces cas importés vont très certainement aussi avoir des cas secondaires. Donc, on le signale encore, des cas, des nouveaux cas vont être détectés dans les, dans les prochains jours. Six régions actuellement sont touchées. Nous étions à cinq lors de la précédente communication. Dakar, Thiès, euh, Djourbel, Ziguinchor, Saint-Louis. Donc Fatigue s'est ajouté à, la liste comme sixième région. il y a une particularité sur Fatigue. Le cas qui a été diagnostiqué à Fatigue, c'est en fait un cas importé qui était dans un transport en commun en route vers euh, Kédougou. Et notre système l'a détecté et ils ont été euh, arrêtés à, Fatik, fatigue, testés et diagnostiqués positifs. Donc c'est un cas qu'on peut peut-être importer dans la région de fatigue, mais aujourd'hui il y a six régions qui sont touchées et nous avons 20 districts sanitaires sur nos 78 euh, districts sanitaires qui sont touchés dans le pays. Sept sites de prise en charge actuellement sont fonctionnels. Au niveau de la région de Dakar, nous avons trois sites de prise en charge. Donc, le premier site que vous connaissez tous, c'est le site de l'hôpital de Fan, le centre euh, du service des maladies infectieuses de Fan. Euh, le site de Dalal Jam, qui est maintenant ouvert, et, euh, le site de, l'hôpital d'enfants de Djamniadio et le site de Dalal Jam. Voilà, donc c'est les trois sites. Le quatrième site qui vient d'être ouvert, c'est le site de réanimation de FAN, donc au niveau du centre de chirurgie cardiovasculaire, qui a une capacité de 10 lits, qui actuellement accueille les deux patients qui sont sévères. Au niveau des régions, il y a trois autres sites, donc Touba, Ziguinchor et maintenant Saint-Louis. Donc Saint-Louis qui a accueilli depuis hier son nouveau cas, donc le cas qui a été diagnostiqué euh, à Richard Toll. Et d'autres sites sont actuellement en préparation qui sont opérationnels, parce que nous, comme je dis, nous prévoyons d'avoir de nouveaux cas donc, il y a l'hôpital principal d'après, Après, le centre hospitalier de Malte, en tout cas, cette structure a gracieusement mis à disposition du ministère de la Santé cet hôpital qui a une capacité, mais également une clinique privée, la clinique du Golfe, qui a également des capacités pour prendre en charge. Donc, nous nous attendons effectivement à avoir de nouveaux cas et ces cas, nous avons déjà des places aménagées pour pouvoir les recevoir. Juste préciser également que tout ça a été fait en tenant compte de la résilience du système de santé. Euh, de faire de telle sorte que des services ne soient pas fermés. Donc tous ces nouveaux lits, toutes ces nouvelles structures de prise en charge, c'est des lits additionnels, donc qui ne gênent pas le fonctionnement actuel euh, de nos structures de santé. Et pour terminer sur le laboratoire, donc à ce jour, 1441 tests de laboratoire ont été faits, hein. donc ce qui a abouti à, aux 134, 162 euh, cas positifs. Pour Tiwalaf Wahni, am na nañu euh, téeméer ak euh, juróom-benn fukk ak ñaar cas yoo xam ne positif nañ Sénégal ci loolu ñaar fukk ak juróom-ñetti wér nañu donc fi mu nekk nii suñu l'hôpital yi am nañu téeméer ak euh, ñett fanweer ak ñeent malade yu fa nekk ñooñu am nañ ci ñaar yoo xam ne nag seen seen situation xaw nañu jaaxal tuuti bu xaw a métti tuuti dañu nekk sauvetage donc ñaar ñooñu am na koo xam ne sax dañ koy may pour mu noyyi te loolu waxoon nañ ko plus ñuy am ñuy gën a am ay cas yu bari plus ñuy am euh, possibilité am ñoo xam dinañ garaaw te ñooñu souvent ay mag la ñu nekk ba pare am yeneen feebar yoo xam ne moo nekk ci seen yaram. te bu ñu xoolee aussi ci wàll bi ñi euh, ñi jóge bitim réew ñoo ak ñi nga xam ne lañuy wàll ñoo gën a bari ñooñu presque bu ñu jëlee euh, téeméer. Euh, ñeent fukki ak juróom yëpp ñoom ñoo koy indi donc euh, loo xam ne war nañ ci bàyyi xel te xalaat nañu ak mesures yi nga xam ne jël nañ ko ci tëj frontière bi dina mën a dimbali fii ak euh, à partir du 4 avril ñu gis naka la feebar bi di jëm. parce que fi mu am toujours ñoo xam ne dinañu des bitim réew ñu donc bu ñu demee ba nga avril normalement ñu am ñoo xam ne nañ bitim pour indi feebar maintenant bi des nag mooy ñi nga xam ñi ci dëkk bi eh, am feebar bi ñu def de que nous am keneen ku ñu wàll ci gox yi nga am donc Dakar la Saint-Louis Ziguinchor ak Fatick ñooñu dëkk yooyu bu nekk am na benn malade boo xam ne am nañ ko bésu bërëbu fajukaay yi juróom-ñaar la juróom-ñaar la am na ñeent yu nekk Dakar donc hôpital Fann bi nga xam ne moo njëkk a tijji hôpital euh, Dalal Jàmm ak hôpital d'enfant bu Diamniadio bi am nañu benn structure bu réanimation sauvetage bi bi nga xam ne mi ngi nekk hôpital Fann si chirurgie cardiaque boobu léegi ci la bokk ci région yi ñeent ñett ñoo am mooy Touba. Euh, Ziguinchor léegi depuis Dembe, bu Saint-Louis ibbeeku parce que Ndar am malade boo xam def nañ ko fa démb aussi Yenen euh, place lal yo xam ci ay hôpital yo xam ne nañu muy hôpital principal muy hôpital Chaume ben hôpital euh, privé le boo xam hôpital fan. ñoom dañu joxe seen lal pour ministère de la santé mën fa teg malade aussi ben clinique boo xam ne suñu ben natango docteur moo pour ñu mën fa aussi maladie. donc am aï ay lal yoo xam ne préparé parce que dañuy xalaat ni aussi dinañu amaat ay malades yoo xam ne dina ñëw ba nga xam ne bu ñëwee dina am fu ñu leen di teg ci wàllu euh, laboratoire yi boobaak léegi am na junni ak ñeen 1441 la je bloqué 1441 yoo xam ne def nañ ko test laboratoire ñi nga xam ne buñ ko defee si la ñu génnee euh, téeméeri ak juróom-benn fukk ak ñaar yi nga xam ne malade nañu li ñu mën a wax rek mooy euh, ci wàllu feebar bi bu ñu vraiment bu ñu am xel ñaar feebar bi fi mu nekk nii mi ngi commencé jug mais ba léegi du ñu jaaxal ñu jaaxal ñu parce que xam nañu feebar bi dafa war a jug fi mu nekk nii comme li ma wax am na ñoo xam ne ñi ngi ci jóge nañ bitim réew dugg nañ ci réew mi ñu ngi am feebar bi ñi ngi am ñeneen ñu ñuy wàll ñooñu aussi am na ñeneen ñuy wàll té pour ñu xam fièvre bi naka lay jëm il faut ñu bàyyi ba dinañ amaat semaine parce que semaine bi dina fekk ñepp ñi nga xam ne tukki won nañ jugon bitim rew duggu ci dëkk bi dina fekk ñom ñu génn ci sen juróom fukki fan ak ñeent feebar bi donc boba dinañu mëna xam légui ñun suñu fièvre bi naka lay continuer parce que boba day nekk juste Sénégal ñi nekk Sénégal am fièvre bi té kon bobu xex bi moy ñu baña